Euh, passer de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, euh, bonsoir et merci de nous recevoir euh, chez vous pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou à la présentation Reilet Toussoumana. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau de 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Tanout, Madawa, Dakoro, Dogondouchi, walam tera ngingimi kablewa filenge magaria tamaske bouza dolbel et le forum de ce 25 août est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par les motions de défiance déposées contre les maires des communes de Tibiri, Tchadoua et de la commune urbaine de Maradi. Nous y reviendrons en détail avec notre correspondant sur place. Les, réactions des étudiants et celles des organisations de la société civile après la publication le 17 août dernier du rapport sur la mort de l'étudiant Malabagalé suite aux événements du 10 avril 2017. Nous reviendrons aussi sur la condamnation de trois policiers qui ont molesté un autre étudiant au cours de la même date. Ensuite, euh, la question des dégarpissements qui ont repris à Niamey juste après la nomination du nouveau président de la délégation spéciale de la ville. Six autres délégués spéciaux sont nommés au titre de la région de Niamey. Aussi, la libération hier jeudi d'Abdou Danieto, l'acteur de la société civile et coordonnateur régional du collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodae de Maradi, après plus d'un mois de prison ferme. en fin du sport football, avec la rencontre entre le MENA et l'équipe ivoirienne le samedi 19 août dernier à Abidjan. Nous allons en discuter ce soir de ces sujets avec nos confrères de l'audiovisuel et de la presse écrite dans le respect mutuel. Dans ce studio avec moi, Murtala Mamadou du journal La Griffe. Bonsoir. Bonsoir. Sekouberi Ibrahim, journaliste à La Voix du Sahel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Rufai Dandoua, que nous attendons incessamment, il est journaliste indépendant. Et enfin, notre correspondant de Maradi, Mohamed Mamman, qui sera en ligne en direct avec nous. Merci à vous d'être présent ici ce soir. Messieurs, dames, bonsoir. La semaine dernière, les conseillers de ville de trois communes de la région de Maradi ont déposé des motions de défiance contre leur maire. C'était tout d'abord contre le maire central de la ville de Maradi, Ayuba Moussa, contre Saadou Yahya, le maire de Tchadoua, celui de la commune urbaine de Tibri, Bala Almaji, a démissionné en plein travaux de la session du conseil après le dépôt de la motion de défiance contre lui inscrit au menu de la dite session. Nous avons au bout du fil euh, Mohamed Maman, notre correspondant depuis Maradi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Ahilatou. Euh, Mohamed, euh, qu'est-ce que les conseillers de ces trois communes euh, reprochent à ces maires Merci Atou, merci à nos confrères qui sont en studio. effectivement, comme vous l'avez dit, les jours passés, la région de Maradi a enregistré des motions de défiance en cascade. Effectivement, quand on prend le cas de, la ville de Maradi, sept euh, conseillers ont déposé la motion de censure, euh, la motion de défiance, je contre euh, le maire Ayub Moussa, même si, aux dernières nouvelles, nous aurions appris que deux de ces sept ont désisté. Les signataires de cette motion de défiance accusent le maire d'obtenir un faible taux d'exécution du budget 2016 qui, selon eux, tourne autour de 26%. Le deuxième grief, euh, euh, c'est que ce signataire condamne le maire de n'avoir pas accordé une grande importance aux dégâts occasionnés par les fortes précipitations dans la ville de Maradi, la non-attribution de la dotation globale aux arrondissements communaux a constitué donc euh, le troisième grief. Et enfin, comme Niamey, ils disent que la ville de Maradi n'a pas fait de grandes activités pour rendre beaucoup plus salive la ville de Maradi Autrement dit, c'est l'insalubrité et ils ne peuvent pas concevoir cela. Et donc, Mohamed. Oui, oui, mhm. vas-y. Voilà. C'est un peu euh, les griefs euh, contre le maire de, de, Maradi. Par rapport à, la motion de défiance de Tchadoua, sept conseillers aussi ont déposé cette motion de défiance. accusent le maire euh, d'être à la base du retard à, à rester dans la construction d'un marché international de céréales. Effectivement, c'est c'était euh, à grand, un grand pompe qu'on a accueilli cette nouvelle, mais qui jusqu'à preuve du contraire, la construction de cette marché table à venir. Ils accusent le maire et ses proches euh, de faire des affaires louches, même s'ils n'ont pas voulu développer ce qu'ils appellent affaires rouges. Et euh, ils accusent aussi le maire d'entreprendre des activités sans l'autorisation euh, du conseil. Donc euh, le vote a eu lieu euh, avant-hier et heureusement le maire euh, comme j'avais dit, malheureusement pour ces dépositaires, leur motion n'a pas pu passer. Chibiri, c'est les mêmes griefs. Chibiri, on accuse euh, Balal Majir euh, de ne pas faire grand, chose depuis qu'il est là pour la, commune de, de que le maire ne fait qu'à sa tête, n'écoute personne, il prend les décisions seul, sans le consentement du conseil, entre autres, voilà ce qu'on reproche à Balal Majir. Donc, euh, quelle était la réaction de ceux qui ont déposé la motion de défiance euh, contre le maire de Tchadoua à l'échec de celle-ci Effectivement, euh, les signataires de cette motion, je, l'ai noté au début, ils sont au nombre de sept. Il faut noter aussi que ces sept ont pu rallier cinq conseillers à leur cause, parce qu'au sortir du vote, il y avait eu douze conseillers qui ont accepté, donc, qui sont pour la motion de défiance. Euh, cinq ont rejeté la motion, ce qui n'a pas permis effectivement au maire de partir parce qu'il fallait 13 conseillers pour faire partie de maire. Mais quand cela ne tienne, selon les dépositaires de, cette motion, euh, ils pensent qu'ils ont perdu la bataille et non la guerre. Et surtout que c'est une satisfaction pour eux parce que euh, le vote a permis de d'élever un conduit voile des problèmes que vit leur commune. Et enfin, euh, ils mettent ça, le, la vote, je dire le vote de cette motion, ils mettent ça au compte de la vitalité de leur démocratie, de la vitalité de la démocratie dans la commune euh, rurale de Tchadoua. Merci Mohamed euh, pour ces lumières. Reste avec nous pour la suite de ce forum. Nous revenons ici au studio. Murtala, vous êtes journaliste de la Griffe. Avez-vous un commentaire par rapport à ces motions de défiance ah oui, bien évidemment. Euh, euh, je suivis cette actualité et, malheureusement, c'est révélateur d'une chose de mon point de vue. Euh, le déficit d'accompagnement de, de, dont on, bénéficie, on, fait l'objet, et beaucoup de municipalités de notre pays, malheureusement, on a voulu la décentralisation, on est allé vers la décentralisation, mais on n'est pas allé vers l'effectivité de cette décentralisation en faisant en sorte que ces municipalités disposent d'une de, certaine euh, euh, compétence technique pour pouvoir mener à bien les choses. Quand on reproche à un maire de n'avoir rien fait, c'est que quelque part ce maire ne pouvait rien faire parce que euh, il n'était pas préparé à le faire. Vous voyez, c'est quelque euh, par le, déficit de, cet accompagnement-là qui justifie aujourd'hui que certaines choses ont cours dans notre pays, malheureusement. Mais au-delà de tout cela, euh, je note que dans les trois cas, euh, il est fait des reproches au niveau de à ces, aux différents maires concernant qui parle d'affaires louches, qui parlent de d'obstruction à la réalisation de concrétisation euh, d'un de, projet voulu par la commune. Euh, c'est quelque part les griefs qui reviennent et qui sont clamés partout dans l'opinion vis-à-vis des différents maires des, communes de notre pays et qui sont considérés à tort ou à raison comme étant des des voleurs entre guillemets ou bien des personnes qui qui s'adonnent à des détournements de fonds publics. Mais euh, je dis, il y a eu un problème de le départ qu'il faut peut-être songer à corriger aujourd'hui pour que la décentralisation soit plus effective dans le pays. Merci Murtala Sekouberi, vous êtes journaliste à la Voix du Sahel. Est-ce que, selon vous, une personne extérieure euh, à une mairie peut interférer dans la gestion de la commune et ordonner de se croire le dépôt d'une motion de censure Bon, maintenant, de défiance. <laughs> C'est vrai que bon, c'est un peu compliqué par rapport à cette situation de, des maires. C'est une situation complètement pourrie de toutes les façons. Il fallait faire les élections. Ça n'a pas eu lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est justement les conséquences de ce que les élections n'ont pas pu se tenir pour permettre justement à ces populations d'élire leurs représentants. Maintenant que euh, c'est complètement pourri, puisque euh, c'est un effet d'entraînement. Ils ont vu que à Niamey, en tout cas, le maire est parti. Donc, il faut aussi chercher par quelle osmose, peut-être que l'État va intervenir également là-bas au niveau de ces régions pour mettre des délégations spéciales. Mais l'un dans l'autre, je pense que euh, il urge euh, l'État, en tout cas, à la solution à ces problèmes. Je pense qu'il faut aller justement, comme l'État l'a commencé à Niamey, il faut que l'État s'assume jusqu'au bout. L'État n'a qu'à chercher de, mettre en place des délégations spécial pour gérer les maires, les mairies, puisque ces gens qui sont là, ils sont en tout cas euh, véritablement usés et ils sont véritablement, euh, ils n'ont pas les moyens pour travailler. Il faut vraiment, je pense qu'il faut, il y a plusieurs problèmes qui se posent en ces maires. Je pense qu'il faut donner la chance, en tout cas, où l'État fait les élections, puisqu'on parle de manque de moyens. Je pense qu'il faut mettre des délégations spéciales. Là, au moins, on sait que on est sous la tutelle véritablement de l'État. Mais quand on laisse les maires, euh, les abandonne à leur sort, je pense qu'il y avait tellement un problème. Merci Sekou. Il y a Rufai Dandoua qui vient de nous rejoindre. Il est journaliste indépendant. Bonsoir Rufai. Bonsoir Donc, euh, selon le maire de Tchadoua, la motion déposée contre lui était déléguée téléguidé par deux personnalités qui veulent le voir débarquer de son poste, en l'occurrence le député Sani Atia et le ministre Sani Megoshi. Roufaï, selon vous, comment va fonctionner les conseils de ville dont les maires sont destitués? Hmm. Moi, je pense que ces situations sont révélatrices de, plusieurs choses, surtout de l'impréparation qu'il y avait eu lorsqu'il y avait la décentralisation. Déjà à l'époque, le débat s'était posé faut-il aller à la décentralisation ou à la déconcentration Et on avait fait ce débat, on avait dit il faut aller à la décentralisation. Or, la décentralisation suppose beaucoup de choses. Il faut que ces gens qui seront élus comme des conseillers et plus tard peut-être parmi eux un maire pour diriger les, la cité, soit des personnes aguerries pour le faire. Est-ce qu'il faut laisser n'importe quel bandit d'État entre griffes diriger eh, une, euh, une, localité, par exemple comme euh, nos régions ou nos départements Ce sont des questions qu'il fallait se poser à l'époque on ne les avait pas posés Aujourd'hui que la situation est pourrie, comme l'a dit et eh, on est en train de, récolter les conséquences. Vous voyez le cas de Niamey. Je crois que c'est la troisième fois, moi, que personnellement, je parle dans ce studio de cette situation des, des, mairies, des, maires ici. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de nommer eh, des gens les nominations sont faites comment Personne ne le On a fait débarquer des maires parce que leur mandat était fini. Il fallait faire des élections. On n'avait pas fait des élections. Que faut-il faire Aujourd'hui, on cherche des griefs pour euh, contre X ou Y, si on n'est pas de telle partie, si tu es de l'opposition, on va te chercher des greffes. Bref, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que ce n'est que le début de, du commencement, comme on dit. Et on, ça n'a pas commencé. Je crois qu'il y a même un maire de, ma, de, de mon village, de Sassombrum, qui avait fui un moment pour, euh, pour détournement. Je, je <laughs> comprendre cela. Vous voyez, ce n'est que le début. Aujourd'hui, tous les maires qui ne vont pas faire allégeance ou à l'autorité politique eh, au plus haut sommet de l'État ou à l'autorité politique au sein même de la région, comme c'est le cas ici par exemple avec les députés qui ont plus de force. Si tu n'es pas eh, avec eux, tu auras toujours des problèmes. Maintenant, si toi, le maire, par exemple, comme c'est le cas du maire de Maradi, si tu as des moyens, tu vas essayer encore. C'est toujours de Vous voyez, ça engendre beaucoup de choses il y a un problème de, de, pourrissement qui engendre aujourd'hui un problème de corruption. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Probablement, il y a d'autres euh, communes qui sont dans les mêmes situations que les trois là. Pensez-vous que ces conseillers vont leur emboîter le pas en déposant Mais <laughs> ça va être un effet de mode, hein, comme je vous le dis. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec moi, si moi j'ai le pouvoir, je sais que j'ai un, un appui à Niamey, parce que Niamey, en parlant de Niamey, je parle de la capitale. J'ai un appui à Niamey, je vais tout faire pour que ces coups avec qui on ne s'entend pas, qui, qui empêchent le de courir, comme on dit. Maintenant, je viens, je donne de l'argent aux, conseillers qui en avaient besoin. Je leur ai écouté déposer une motion de, défiance. Maintenant, ils vont déposer, il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de, de micmac en bas. Si ça passe, tant mieux. Maintenant, on va essayer, on va dire non, ça ne va pas dans telle euh, circonscription et on va faire comme Niamey. Aujourd'hui, on a des gens à Niamey. Vont-ils faire le travail ou pas On ne sait pas parce que Niamey aujourd'hui, c'est la vitrine du pays. Elle a Nous besoin allons y revenir <laughs> Donc, euh, restons toujours à Maradi avec la libération hier euh, jeudi d'Abdou l'acteur de la société civile et coordonnateur euh, du collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodaé de la région de Maradi. Il était en prison depuis le 14 juillet dernier suite à une plainte du conseil de ville de Maradi d'Aneto aurait déclaré la vente d'une rue de la ville par la mairie. Voici sa déclaration après sa libération. Je remercie l'amnistie internationale qui, par la grâce de Dieu, m'a payé un avocat qui m'avait conseillé. C'est remercier la justice parce que la justice a été rendue. Moi, je sais pertinemment que j'ai raison. Mais comme c'est la justice, il faut patienter, il faut suivre. Maintenant, après les investigations, après le jugement. Voilà, je suis libre, lavé de tout soupçon. Dire que je veux continuer à batailler, c'est comme si vous dites j'allais continuer à respirer ou j'allais continuer à manger ou à boire. La lutte là, c'est obligatoire. Maintenant qu'ils ont essayé de le faire, c'est-à-dire ils m'ont même donné le courage de continuer à, me battre, de continuer à dire la vérité aux gens, de continuer à sensibiliser la population pour qu'elle comprenne le danger que ces gens-là sont en train de mener, le danger que ces gens sont en train de représenter pour la population de Maradi. Donc, euh, c'était Abdounan après sa libération. Donc, euh, je me retourne vers vous. Mortala, vous êtes journaliste de la Griffe. Est-ce que cela veut dire que la dénonciation de l'acteur de la société civile était fondée en ce qui concerne la vente de ces rues Écoutez, euh, je crois que la plainte du Conseil des villes euh, portait sur une diffamation, une prétendue diffamation, euh, qui en son temps avait conduit euh, M. Danetto derrière les barreaux. Qu'aujourd'hui la justice le relaxe, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de diffamation. Maintenant, pour ce qui est de sa déclaration, je crois que seul peut-être notre procès pourrait, pourrait nous édifier là-dessus, parce que euh, le, jugement de Daneto n'avait pas porté sur la véracité de sa déclaration. C'était sur est-ce que ce qu'il avait dit était constitutif d'une diffamation à l'encontre euh, du Conseil des villes de Maradi. Le juge a estimé que non. Euh, ça veut dire que quelque part au Conseil de ville de Maradi, on s'est précipité pour envoyer ce monsieur qui dérange quelque part derrière les barreaux, pour essayer de lui casser le moral. comme je l'avais dit en son temps, un simple communiqué du conseil de ville pour, suffisait pour démentir euh, cette affirmation, citant que les gens étaient sérieux. Mais euh, comme on est dans, euh, dans une logique malheureusement chez nous de, de, dire je vais te montrer que je suis de quoi je suis capable à chaque fois que vous attaquez à moi et on l'a envoyé en prison peut-être euh, pour essayer de, le détruire afin qu'il arrête, et eh ben malheureusement, selon ses propres dires, euh, il en sort beaucoup plus fortifié et convaincu de la justesse de son combat. Euh, donc, ceux qui ont fait en sorte qu'il aille en prison aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en sorte gagnants ou satisfaits Je ne le pense pas. Mais quand même, pour la vitalité de la démocratie, je dis, il vaudrait mieux avoir des acteurs qui soient beaucoup plus engagés et qui, qui malgré peut-être les, circonstances euh, restent déterminées à pouvoir euh, faire des, dénonciations euh, aussi importantes que celles-là. Mais pour ce qui est d'une vente de, la rue, personnellement, je ne sais pas, mais j'aimerais bien voir un jour, je ne sais pas, le procureur près du tribunal de grande instance de Maradi se saisir de cette affaire pour que la lumière soit faite. Merci Murtala Sekouberi. Est-ce que vous vous attendez à la libération de Abdou Oui, mais pourquoi pas Puisque certainement les principes sur lesquels les fondements de son arrestation ne tiennent pas. Et que les fondements ne tiennent pas, forcément le mur va s'écrouler. Alors je pense que. Euh, le juge certainement a vu que c'était peut-être un dossier, c'est même sûr que c'était un dossier vide et puis il l'a libéré. Mais ce qu'il faut regretter, c'est qu'il ait fait euh, un mois loin de sa famille pour rien, on vous met en prison alors que véritablement le vrai problème est là. Et c'est tout ce qu'il faut regretter, quoi. Le fait qu'il se soit, qu'il soit gardé euh, à chaud pendant plus d'un mois, loin de sa famille, loin de ses parents, c'est véritablement euh, pas du tout normal. Mais il, quand même, euh, comme l'a dit Murtala, il est ressorti ragaillardi et, dit qu'il va continuer le combat. C'est aussi pour dire que euh, ce n'est pas le fait d'être en prison qui va peut-être euh, vous réduire dans ce que vous pensez ou dans ce que vous voulez faire. Au contraire, ça vous requinque, ça vous donne plus d'énergie, de, d'énergie, plus d'engouement et plus d'engagement à aller au bout de, de la lutte. Quoi. Merci Sekou. Donc, euh, Rufai, vous êtes journaliste indépendant. Si Abdou Daneto et son avocat présentent euh, les preuves de cette vente, est-ce que le président du conseil de ville de Maradi peut être poursuivi Je pense que ce n'est pas la première fois qu'à Maradi, on, on, on, vend des rues. Et <laughs> je rappelle qu'il y avait aussi une, affaire qui avait défrayé la chronique, l'affaire de la tribune, je crois, de, de Maradi qui a été vendue. Et ce n'est pas la première fois. <laughs> c'est la preuve qu'on ne tire pas de leçons au Niger. c'est la preuve qu'on ne tire pas de leçons. Moi, c'est ça qui, qui, qui, m'inquiète dans ce pays. Quoi qu'on fasse, et malgré toutes les arrestations, malgré toutes les tentatives d'intimidation qu'on fait, on ne tire jamais de leçons. les mêmes causes, on dirait, produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, on a on ne va pas dire qu'on l'a arrêté, on l'a interpellé jusqu'à le garder pendant un mois. Ce n'est pas la première personne, ce n'est pas la seule encore qui est, interpellée, qui est sous les sous les verrous, on a en souveraineté nos, nos, nos, amis Baba Alpha, on a, même si lui a eu le procès, on a un ami Kasmo euh, Ablay aussi qui, pour avoir partagé un, je crois, un, un poste, il est toujours là-bas, on ne sait pas. vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de cas. Moi, à sa place, si on m'interpelle, je fais un mois, je prends un avocat, si on ne me reproche plus rien, maintenant je, je demande oui, je fais une contre-attaque, un dommage intérêt, c'est ça, qu'on dit, donc mm. je le fais. Il faut maintenant qu'on voit clair pourquoi cela a été fait. Parce que, quelque part, lui, il est sorti aujourd'hui. Nous qui sommes du milieu savons qu'il n'y a rien. Mais est-ce que ceux qui, ceux qui pensent que non, ce qu'il a dit c'est faux ou ce qu'il a fait est, faux, est-ce qu'ils euh, pensent que pensent comme nous Mais il n'y a que la justice aujourd'hui qui peut dire que a, ce qu'on lui reprochait avant était faux et maintenant son avocat, et peut-être que ça peut lui permettre d'avoir une petite euh, cagnotte <laughs> si a la justice <laughs> lui, donne, lui donne raison et maintenant, bon, pourquoi pas. Merci Et Donc euh, nous allons passer à un autre aspect de ce forum, la publication le 17 août dernier du rapport de la commission d'enquête indépendante sur la mort de malabagali continue de susciter des réactions, en l'occurrence celle des étudiants de l'université Abdou Moumoun de Niamey et les organisations de la société civile. Rappelons qu'un communiqué du gouvernement a annoncé que Bagale serait décédé suite à une chute qui n'a aucun lien avec les opérations de maintien de l'ordre. À présent, je vous propose de suivre un extrait de la réaction de Lawali Bakar, acteur de la société civile nigérienne. Vous avez une commission, dès qu'il y a serment sur le livre saint de la confession de chacun, nous, en tant que musulmans, nous acceptons que les gens soient allés travailler avec une crainte de Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils ont découvert, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais pourquoi seulement c'est ça qu'ils ont découvert Pourquoi certains détails ne sont pas amenés à la population nigérienne Parce que les gens auraient voulu qu'on dise, OK, c'est la gendarmerie, mais c'est un tel élément. Et l'élément là va dire, oui, c'est un tel qui m'a donné l'ordre de le faire. Bon, nous sommes dans un pays de pardon. On a identifié l'élément. Il a dit, son responsable qu'il a l'ordre. La population, les étudiants, même la famille ok, on te pardonne. Mais il ne faut plus que des actes comme ça se répètent. Je pense que ça, c'est quand même des actes forts sur lesquels nous nous avons attendu. Mais pas de venir donner surtout le rapport d'enquête pour nous, sur la société civile, à la veille de la rentrée universitaire, parce que la rentrée universitaire, c'est dans 10 jours exactement, le 1er septembre. Ça veut dire que le gouvernement lui-même, il crée les conditions encore pour qu'il n'ait pas une bonne rentrée. Il aurait dû même attendre à ce que la rentrée ait lieu et qu'il puisse avoir certains détails plus importants pour dire aux gens que de balancer ça comme cela. Vous venez là d'entendre Lawali Boubacar, acteur de la société civile. Murtala, vous êtes journaliste de la Griffe. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette intervention de Lawali? Oui, euh, le défaut de, de, le déficit de détails euh, sur euh, l'identification de l'élément ou bien parce que le jour de, le 10 avril, il y avait des éléments sur le le, terrain, des éléments de maintien d'ordre. Alors, c'était pas tous les éléments qui disposaient de, de, ces fusils avec lesquels on tirait les grenades lacrymogènes. Ils sont, ils sont, ils se comptent, c'est une liste, on les connaît. Alors, on peut tous les conférer, les présenter devant la, la commission pour que la commission puisse identifier qui est-ce qui a fait le tir. Il fallait le faire. Est-ce que cela a été fait devant la commission Je l'ignore, mais de par le communiqué, cette information qui, d'un point de vue, était capitale, euh, n'a pas fuité, ça n'a pas transparu euh, dans, le communiqué, ce qui, de mon point de vue, laisse une part d'ombre. Euh, maintenant, est-ce que euh, il, fallait comprendre peut-être la réaction des étudiants qui aussi ont, essayé de pousser un peu le bouchon Oui, je crois, parce que ils sont quand même dans une posture où ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement une partie de ce qui s'est passé. Il faut faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Et surtout, un autre aspect de, la revendication des étudiants suite à cette publication de rapport, c'était euh, que, l'affaire aille en justice cette fois-ci. Et pour qu'elle aille en justice, il faut que les différents acteurs, les différents intervenants soient identifiés et euh, de, l'élément sur le terrain jusqu'au sommet qui a donné l'ordre, etc. Euh, c'est une revendication qui, d'un point de vue est légitime mais est-ce que euh, les étudiants sont dans une position aujourd'hui de pouvoir infléchir la position du gouvernement euh, je, je, ne le pense pas parce que euh, quelque part, en mettant déjà, c'était déjà pas gagné d'obtenir la mise en place de cette commission véritablement indépendante. C'était sa, sa mise en place était un succès. maintenant, elle produit un rapport qui produit des rapports, des réactions mitigées. Et est-ce que le bras de fer va se continuer au cours de la rentrée? Euh, je, pense que oui, forcément, euh, les étudiants vont essayer de faire entendre raison au gouvernement. Euh, j'espère que celui-ci entendra raison le plus tôt possible afin que des, des événements qui sont déroulés lors de l'année académique précédente n'influent pas négativement sur la prochaine. Merci Murtala Sekouberi, vous êtes journaliste de la Voix du Sahel. À votre avis, est-ce qu'un jour nous connaîtrons l'identité du coupable, le gendarme qui a tiré ah Là, c'est <laughs> ça, véritablement, c'est un secret de polichinelle. Je ne pense pas que euh, cela puisse se faire euh, un jour, puisque euh, déjà quand vous regardez un peu l'enquête ou bien la commission qui a été mise en place et qui a travaillé, on a voulu occulté. Bon, c'est-à-dire que ça a été fait sciemment. Forcément, euh, le, le, problème, il fallait chercher euh, peut-être l'élément qui a tiré. Mais on a juste dit que, bon, c'est vrai, il y a eu la gendarmerie, mais en fait, bon, vous voyez quoi. De toute façon, euh, avec si, si, là, je pense qu'il faut. La vérité, ça va être difficile. Je pense que maintenant, c'est aux étudiants de voir est-ce que véritablement le rapport qui, leur a été fourni ou qui a été en tout cas donné à la population, est-ce que ce rapport il est, il est, il est comestible et digestif Maintenant, c'est à eux, puisque véritablement, c'est vrai qu'il y a eu mort d'hommes et que c'est malheureux qu'on en arrive là. Mais je pense que euh, ça va être extrêmement difficile que l'État fasse marche arrière pour revenir dire ah non, c'était l'élément, il faut le prendre. Généralement, il y a eu, il y a eu également au niveau du campus, il y a eu d'autres. Euh, meurtres et assassinats, mais ça n'a jamais, on n'a jamais vu le policier qui a, qui a tué ou qui a donné la mort. On l'a jamais sorti ou le traîné devant les tribunaux. C'est, je pense que c'est une responsabilité collective. Et en son temps, certainement que les gens vont s'assumer. Merci Sekouberi. Toujours lors de ces événements du 10 avril, un autre étudiant a été filmé en train d'être tabassé par trois policiers. La vidéo de ce traitement dégradant a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les trois policiers auteurs de l'acte ont été condamnés à un an de prison ferme et 15 millions de dommages et intérêts à verser à la victime. Rufai Dandoua, vous êtes journaliste indépendant. Est-ce que cette condamnation vous satisfait-elle <laughs> Moi, je ne sais pas <laughs> si elle me satisfait. Dans tous les cas, ici, au moins, on a eu eh, envie qu'il y ait manifestation de la vérité même si là c'est trop flagrant, on, voyait là où l'enfant a été, où l'étudiant a été battu et violemment ou oui par par, ses, forces de défense, mais je cru comprendre que aussi et Malambagale a été tiré à bout portant lorsqu'il a été tué et le jour là c'était en face, à quelques, à quelques mètres, ils, ont, ils l'ont dit aussi. Et vous vous rappelez lorsque un ministre avait giflé une policière, non oui. C'était devant des forces de défense et de sécurité, en euh, euh, avait-on appris à l'époque. Mais lorsque euh, il fallait témoigner pour dire qu'ils avaient vu le ministre ou en question, personne n'était là. Vous voyez, moi je pense que lorsqu'on veut et dire la vérité. On n'a pas besoin de jurer sur le Coran. Non, le Coran a toujours été le dernier recours, même en islam. Il ne faut pas qu'on dise que non, parce que il y a le Coran, on pense que... Non, non, non, non. Moi, je, viens d'une région où le Coran est trop sacré. Normalement, lorsqu'on fait intervenir le Coran, c'est quand c'est le dernier recours. Rappelez-vous aussi qu'en 1990, il y avait eh, ces événements malheureux du, 9 février 1990 jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tiré sur qui, pourquoi et, comment. Aujourd'hui, heureusement qu'il y avait eu cette enquête, mais, mais si on veut faire aussi eh, justice, si on veut rendre justice, de la, même si on ne sait pas qui avait tiré, puisque le gendarme, lui, on peut le prendre, oui, on peut, on peut suivre la chaîne jusqu'à venir peut-être à un ministre. Mais un policier ou un gendarme qui a tiré, il a quand même eu des ordres le jour-là. Il y avait eu ses supérieurs, ses supérieurs ont leurs supérieurs aussi on n'a qu'à suivre cette On n'a pas besoin de connaître euh, la personne en tant que telle. Le nom n'est pas aussi important que ça. Euh, euh, si on dit un nom, par exemple, on dit que c'est là. on va juste le, le, le, le, laisser, comme on dit, à, le lyncher à la vindicte populaire et il sera maintenant lynché par, par, par les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin pourquoi on a tiré, pourquoi on a tiré. Moi, moi le fait de dire que c'est un tel, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Parce que si on dit que c'est un tel, et après. Mais il faut savoir pourquoi on l'a fait, qui a donné l'autorisation de tirer. C'est ça qui est important. Mais pas dire que c'est, non, c'est monsieur X qui a tiré. Peut-être que lui, il a voulu juste euh, plaire ou montrer. je ne sais pas si vous voyez quand, ils sortent les, FDS, quand ils sortent, ils ont comme une haine contre les manifestants. Euh, à un moment, on disait qu'il y avait euh, les manifestations des femmes, je crois, un policier tapait sur les femmes. Il y a une femme qui lui disait Attention, il peut y avoir ta maman parmi nous. Il dit Il s'en fout. Et quand elle tournait, il y avait sa maman. Euh, vous, voyez, c'est comme si on, les drogue et ils sortent pour tabasser les manifestants, pour tabasser les, étudiants ou les élèves ou, les, les, hommes politiques. Et quand tu fais, tu ne sais pas. Mais est-ce que c'est toi qu'on doit condamner non, il faut savoir qui t'a envoyé et pourquoi on t'a envoyé. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut savoir. Si on, on, on a cet aspect-là, on aura gagné à quelque chose. Mais le fait de savoir que c'est M. X qui a tiré sur Malambagala, moi, pour moi, ça ne change rien. C'est vrai qu'on a fait tout un tas autour de cette affaire de, Malambagla. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'affaire de 90. Jusqu'à présent, on cherche justice. Justice ne viendra jamais. Il faut changer même des moteurs de lutte aussi. Merci, Rufai. Donc, euh, Murtala, vous êtes journaliste de la Griffe. Pensez-vous que cette condamnation peut éventuellement dissuader les forces de l'ordre à agir euh, comme ils l'ont fait le 10 avril Écoutez, moi je trouvais, j'allais trouver légère cette condamnation au vu quand même de, de, ce qui a été fait parce que euh, quand vous êtes euh, sur le terrain de maintien d'ordre, votre travail c'est de rétablir l'ordre public qui aurait été menacé par des manifestants. Euh, quand vous prenez un élément, un manifestant quel qu'il soit, il est sous votre contrôle, il est sous votre responsabilité de le protéger et non pas de le porter atteinte. ce qui a été fait malheureusement un de ces policiers au cours d'une audience a déclaré que c'était pour lui donner une leçon. Euh, vous voyez, donc euh, ça rejoint un peu ce que vient de dire Rufai, c'est euh, quant à cet état d'esprit avec lequel nos policiers et autres font malheureusement le maintien d'ordre. avec cet état d'esprit, je crois que les exactions, leur arrêt, l'arrêt des exactions n'est pas pour demain. On, on connaîtra encore d'autres exactions, puis voilà, ça va continuer. Et pour cela, il fallait que cette cette sanction soit exemplaire. Malheureusement, pour moi, elle ne l'a pas été. Un an ferme, c'est vrai. Euh, ça va peut-être entraîner l'exclusion du corps, mais maintenant, euh, est-ce que cela, ça suffit de s'arrêter au niveau de ces trois personnels, de ces trois agents euh, Ces trois agents n'étaient pas les seuls présents sur le terrain, ou à bord du véhicule. C'est peut-être ceux qu'on a identifiés. L'esprit du corps peut-être a fait qu'ils n'ont pas dénoncé les autres, mais il faut que ça aille au-delà parce que un agent sur le terrain a quand même un répondant qui sont responsables euh, quelque part perchés au niveau d'un bureau. Et il faut aussi que ces personnes-là répondent parce que euh, c'est de leur responsabilité et ces agents ont agi sous leurs ordres euh, autour de tout ce qui s'est passé le 10 avril dernier. je crois qu'il ne suffit pas de dire voilà, on sait ce qui s'est passé et puis qu'aucune sanction ne tombe il faut qu'on aille au-delà de ces trois agents, au-delà peut-être de l'agent qui aurait tiré sur Bagali, et aussi des, euh, pourquoi pas les personnalités politiques, parce que euh, quand on fait du maintien d'ordre, c'est quand même sous la coupe d'une personnalité politique. Je dis, il faut qu'on cesse cette hypocrisie de dire on a sanctionné et puis ça s'arrête là. Non, on a sanctionné qui Est-ce qu'on a sanctionné les véritables responsables Non. Merci, Motala. Je me rappelle une fois, lors, d'une manifestation, et, je veux dire, un simple agent qui a voulu gazer l'ancien président de la République, c'était devant le siège du MSD, Maman Ousmane, l'a voulu le gazer. C'est pour vous dire comment ils le sont. Quand tu es en face, d'un même si c'est un ancien président de la République, quand même, il y, a, un négat, il y a déjà au moins un capitaine derrière lui qui les garde, mais lui, il s'en fout. Il est venu, il faut qu'il arrête ce n'est pas de l'ordre, donc c'est des ordres qu'on concerne. Quoi. Merci, Donc, euh, euh, le mardi dernier, le, ministère, euh, le ministre de l'Intérieur a enfin nommé les six membres de la délégation spéciale au titre de la région de Niamey. Que pensez-vous des nouveaux délégués spéciaux de Niamey, Sekou <laughs> ben, Qu'est-ce que je peux penser Parce que <laughs> moi, simple citoyen, je pense que, bon, moi, je pense qu'il faut, de la même manière, je le disais tout à l'heure, il va peut-être falloir aussi nommer dans toutes ces zones où. Oui, mais oui, absolument. Puisque de toute évidence, et il y a toujours cet effet d'entraînement, chacun veut qu'on change de maire. Moi, je pense que l'État doit prendre c'est, sa chasse gardée, on nomme qui on veut. Là, on sait que c'est des délégations spéciales qui gèrent. Mais sinon, bon, on, les a nommés maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le travail Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire Parce qu'il ne suffit pas de, Parce que les gens acceptent même, euh, ou là où ils ne peuvent pas euh, faire grand-chose. Je pense qu'il faut il faut quand même euh, maintenant trouver les moyens pour ces gens parce que la ville est complètement sale, ça tout le monde le sait. Avec surtout ces, fortes précipitations ces derniers jours à Niamey, en tout cas c'est encore plus pourri. J'aime bien ce mot parce que <laughs> je pense que euh, moi, moi, à mon avis, si vous nommez des gens, vous devez leur donner les moyens de travailler. Maintenant, c'est la grosse interrogation. Est-ce qu'ils ont été nommés Ils ont été choisis parmi 17 millions de Nigériens pour gérer la ville de Niamey. Maintenant, il faut aussi trouver les moyens et eux aussi donc, à développer des initiatives pour rendre la ville propre. Et voyez, les nouveaux délégués sauront-ils rendre la ville propre selon vous Vous savez, le, délégué ou le maire qui aura changé la ville de Niamey ou qui aura changé la mentalité des, Niameyens, il, faut, il faudra lui tirer chapeau bas comme on dit tellement que cette ville est dans un état de pourrissement total. J'emprunte le mot à, à Sekouberi. C'est incroyable. Quand tu regardes Niamey en ces périodes de, de pluie, tu te demandes si tu es vraiment dans une capitale. Et au-delà de tout cela, tu te demandes est-ce que, est-ce que vraiment on a affaire à des citoyens qui doivent vivre dans une capitale et d'un pays Parce que eh, il y, y, y, y, a un esprit de jumeau foutisme Chacun s'en fout. Même devant ta porte. Il faut aller devant les, les portes, les, les, domiciles des mêmes autorités. Tu vois, vous allez voir comment commencer. Peut-être tu, tu fais en sorte que devant ta porte, eh, tu empêches que l'eau stagne. Mais en voulant faire ça, oh, tu, commets eh, des impairs à tes voisins. Et là où eh, l'eau hier ne stagnait pas, ça vient donc, dans, presque tous les quartiers, c'est fini. Moi, euh, on ne peut pas critiquer ou juger les gens qui viennent d'être euh, nommés à peine parce qu'ils n'ont pas fait leur preuve. On doit vraiment les, les, encourager. Moi, je ne connais personne parmi eux je ne sais pas qui ils sont. On doit euh, les encourager, mais euh, j'espère qu'il ne faut pas mettre de la politique dedans. Je me rappelle avoir parlé de ça, c'est que tu étais là ici. Moi, je disais qu'il fallait mettre des FDS à politique dans toutes les communes du Niger pour leur donner euh, un cahier de charge. Voilà ce qu'on veut de vous. Par exemple, Niamey, voilà ce qu'on veut de l'AD de Niamey. Rends-nous la ville vivable vivable, pas propre seulement, vivable. En 2019, il y aura le sommet de, euh, des chefs d'État de l'Union africaine. Imaginez un seul instant que les chefs d'État des 54 pays ou 55, je crois, il y a un autre pays qui, qui, est venu aussi. Imaginez que ces chefs d'État viennent au Niger et qu'ils voient Niamey dans cet Parce qu'il n'y a pas que de l'eau qui, qui, stagne, il y a aussi des déchets, il y a beaucoup de choses. Et non, c'est incroyable cette Moi, je leur, souhaite, je souhaite quand même bonne chance, ces gens, parce que c'est un travail gigantesque qu'ils ont vraiment. Et je ne pense pas qu'ils auront du temps pour dormir la nuit chez eux. Quoi. Ok, Donc, euh, en parlant de propriété, les déguerpissements ont repris le mardi 22 août dans la ville de Niamey, particulièrement à la commune 3, où les opérations ont concerné la place Toumont et le rond-point 6e. Donc, euh, Murtala, à votre avis, pourquoi les opérations de décarpissement avaient été interrompues il y a quelques mois Écoutez, euh, ça fait déjà un an, un an que ces opérations presque ont, démarré. Euh, en leur temps, ils ont fait beaucoup, beaucoup de mécontentement. Ça, ne s'en cachons, ne nous en cachons pas. Euh, malheureusement, ce que moi j'ai déploré personnellement, c'était le fait que on ait libéré des espaces pour ne rien faire par la suite. Malheureusement, on était dans une posture où on a dit dégageons et maintenant c'est après qu'on s'est mis à réfléchir sur ce qu'on va faire à la place. Euh, donc, on n'était pas vraiment préparé. Euh, on, était dans une posture, on était obligé d'arrêter. On a arrêté aujourd'hui, on reprend. pour la dernière sortie, je crois que ça concernait les récidivistes, ceux qui étaient revenus occuper les, espaces à nouveau. Mmh. Euh, en tout cas, pour rejoindre un peu Rufai, je suis quand même bien des chances à ces nouveaux <laughs> administrateurs de la ville de parce que cette ville a quand même une population qui, qui, est beaucoup, qui est très incivique euh, euh, au-delà de tout, euh, mais aussi quelque part les dispositions au niveau de, l'administration manquent pour accompagner ces changements de mentalité, l'inculquer au niveau de la population, parce que quelque part, si la mentalité change, beaucoup de choses peuvent changer. Mais il ne s'agit pas seulement de changer les mentalités des gens. Si la municipalité n'est pas en mesure d'assumer son rôle régalien, il y a quand même un véritable problème. Euh, euh, donc, tout cela pour peut-être conclure, je dirais, je, vais paraphraser une, publication d'un citoyen, d'une citoyenne, à l'occurrence de la ville de Niamey, qui disait sa prière de vendredi, c'était d'espérer que les administrateurs, les nouveaux qui sont nommés, euh, vont pouvoir débarrasser Niamey de tous ces nids d'éléphants et puis de tous les déchets qu'il y a. J'espère qu'ils vont y arriver, bien que cela soit quand même une tâche titanesque. Euh, je ne sais pas si on vous fait cadeau. vous voyez, vers euh, Lazare, il y a des gens qui sont revenus, qui étaient déguerpis. Euh, si tu, te demandes pourquoi on a Nous fait ça. allons passer la parole à <laughs> Sekou avant de clore ce forum. Donc, est-ce que par rapport à cette insalubrité, les opérations de déguerpissement sont une priorité je ne pense pas que ça soit une priorité. Parce que c'est vrai que moi, c'est vrai, je pensais que c'était Niamey seulement qui était concerné, mais la dernière fois j'étais à Tawa, j'ai vu également, on a carrément euh, mis le bulldozer pour euh, déguerpir les gens. Et bon, peut-être qu'on peut le comprendre parce que c'est Tawa Sakole, je crois. Sakola. bon. <laughs> Mais j'ai pensé, j'ai vu que, en réalité, ce n'était pas ça. Vêtement, il fallait quand même euh, donner un visage à la ville de Tawa. Moi, je pense Vous que. 30 secondes. Oui, c'est vraiment bien, mais je pense que ce n'est pour le moment, euh, il faut s'atteler à rendre la ville plus et salubre, plus belle, que de vouloir justement euh, déranger des citoyens honnêtes et paisibles qui cherchent leur euh, euh quotidienne. Et puis bon, je pense que ça peut venir après. Mais maintenant, ce qui urge, c'est de rendre la ville propre, c'est d'aider justement. Il un plan de, oui, de, la ville et ah, de d'aider ces gens-là. Avec c'est vraiment incroyable quand ces vous gens, voyez, les inondations aussi qu'il y a. Absolument, ces gens qu'on a nommés, qu'on a jetés pratiquement en pâture, parce que c'est la fin de ce forum de ce vendredi. 25 août 2017. Euh, merci à vous, chers auditeurs, euh, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou en compagnie de nos confrères euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe, Sekouberi Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel, Roufaï Dandoua, journaliste indépendant, et Mohamed Maman, notre correspondant de Maradi, qui était en ligne en début d'émission. Retrouvez Mokhtar Hamadou dès lundi à 18h15 avec ses invités pour parler de l'évaluation des enseignants créés en main. Au revoir.